Jun ‘yan uwa matasa barkanku da haka barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu a fada kenan tare da ni Fanta Shamsu. Yau a cikin fadar tamu nous allons faire le tour de toutes les pressions sociales que les jeunes subissent et voir comment ils vivent ces situations. Wato yau shirin namu zai karkata ne akan matsalolin zamantakewa da matasa ke fuskanta a cikin al'ummominsu. Za mu fayyace dukkan wata pression da matasa ke fuskanta mu ji mi irin hakan ke haddasawa. Et ce sont des sont dans la plupart des cas liées à certaines règles de vie préétablies par la société. Celles-ci, quoique banalisées, ont des impacts sur l'évolution des jeunes, voire sur leur orientation professionnelle et aussi les rêves que ces jeunes peuvent avoir. Selon une étude réalisée par la CAPEC, cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale en 2018, on peut lire à la page numéro 17 du document intitulé Études participatives sur les aspirations des jeunes et l'efficacité des politiques publiques en matière de jeunesse au Niger. Je cite, Les résultats de l'étude ont abouti à la conclusion qu'au Niger, les façons de faire et de penser de la société ou certaines règles de vie empêchent aux jeunes de s'exprimer et de se réaliser. Cet environnement, à travers ses valeurs et règles de vie, exerce un certain contrôle sur le jeune et structure ainsi la trajectoire de celui-ci. Ce sont des pressions répétitives du genre tu n'as toujours pas de boulot, t'attends quoi pour te marier, te marier depuis telle année, t'attends quoi pour faire des enfants, etc., etc. kamar yadda muka saba yau fadar mu ta tara matasa domin jin waɗanne irin matsatsi ne suka fi sha musu kai a cikin lamuran rayuwarsu ta yau da kullum dami aka kafa musu ido sosai mi hakan kan iya haddasawa a cikin rayuwar matashi menene manufar yin hakan waɗannan tambayoyin ne za mu yi kokarin kawo muku amsoshi a cikin wannan shirin namu tare da manyan baki da muka tara waɗanda za ku shi ko su waye nan da kaɗan abdulkadar tumbiano akan inji dan ka shirya à qui ont bien voulu participer notre émission. Bonjour. Euh, moi, c'est Kadadi Sawani Rabiou. Je suis étudiant régulièrement inscrit au Master D à l'Université Abdou précisément à la filière agriculture. Euh, je fais aussi des prestations de services avec l'entreprise Fitilla. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Chef Mahmoud Balkissa candidate au baccalauréat, stagiaire. Bonjour, euh, je me présente Balkissa Issoufou Manzo, étudiante en transport logistique et aussi membre de l'initiative Hygiène, initiative des jeunes pour l'émergence du Niger. Bonjour à tous, moi c'est Rahila Toumamoudou, manager de et vice-présidente de l'hygiène. Assalamu alaikum, euh, bonjour à tous. je suis Moussa Haladou Mohamed, étudiant en logistique humanitaire et entrepreneur également. Et je suis également membre de l'initiative des jeunes pour l'émergence du Niger. Donc, bienvenue à toutes et à tous. En tant que jeune, ça c'est la première question de notre FADA du jour. Quelles sont les situations de pression sociale que vous subissez le plus ou que vous avez pu observer autour de vous euh, les pressions sociales qu'on subit le plus souvent, c'est tu te maries quand Tu attends quoi pour, te marier Tu es en train de choisir ton mari Les études, ça finit pas. Arrête les études, va te marier. C'est surtout sur le mariage. Et aussi, souvent, avec la filière que tu choisis, on te dit pourquoi tu fais ça, ça, ça, n'a rien à voir, ça n'a pas d'avenir. Ça aussi, c'est une pression qu'on subit. Rayla parle de pression sur le mariage et sur certains choix de vie. Bon, pour les filles, ça a toujours été la même pression. C'est toujours quand est-ce que tu te maries, tu attends quoi pour te marier. Ça a toujours été ça d'abord. Et aussi, elle a soulevé le, sujet du choix de filière. Ça aussi, ça compte. Quand une fille choisit une filière, moi particulièrement, quand j'ai choisi ma filière, on m'a directement dit, mais c'est pas une filière de filles. c'est quelle filière Transport logistique. On dit que la plupart du temps, ce sont les garçons qui, les, qui font cette filière. Donc pourquoi moi j'ai choisi cette filière donc, euh, le fait de dire ça aussi, ça met une pression sur sur le choix de notre filière, sur le choix de notre vie en général. Les garçons, est-ce que vous êtes d'accord Bon, quant à moi, je dirais que euh, pour ce qui est de la pression, bon, généralement les gens parlent de la pression sur le mariage, pression scolaire, mais je pense que même euh, au niveau des hommes, on peut détecter certaines pressions. En tant qu'homme, tu es obligé d'être une personne où vraiment tu vas être strict avec toi-même, où tu n'as pas droit à l'erreur. Tout le monde porte ses yeux sur toi. Par exemple, dans la famille, si tu es l'aîné, tout le monde se dit que tu dois donner l'exemple. Et c'est pas c'est pas chose facile parce que bien Dieu faisant bien les choses, on ne peut pas être tous parfaits et que au final, l'attente est beaucoup plus élevée que tu as toi-même tes petites femmes et on exige de toi que tu sois parfait. Oui. Et indépendamment de ça, il je soutiens également leur proposition de euh, pression scolaire, surtout côté scolaire, où vraiment, de nos jours, tu vas voir, tu es en train d'étudier. Tu vas être face à des situations où les gens ils vont te déstabiliser d'une telle manière où on peut même te dire que, par exemple, les gens qui sont en terminale BPC, on va te dire que tu ne peux pas réussir. Alors que on est tous différents, mais il y a des âmes sensibles. Si tu mets ça dans la tête de la personne, personnellement, j'ai eu des situations où vraiment les gens ils me disent Non, Intel tu es en train de te fatiguer, tu vas pas réussir. D'une, ah, mais ça serait bien de partager ces situations avec nous. Kamar wadanne dit ga cewa kuwa akwai mutanen da suke kwatanta maka da wahala ce kawai kake cikin fannin karatun da kake yi ko in ka ɗoki hima wai ka yi kana da wani gurumi da za ka mai ake cewa kake son ka kamu mutane sai su zan kwatanta maka da baka iya yin shi ko ya yi karhin ka ko kana hangen nesa a lorke a realite ba haka nan ne ba tout dépend de la manière où ka ɗauki abun ga zuciyarka kwa et moi je soutiens plus le côté de l'école parce que moi après deux ans d'études en droit je me suis encore réinscrit à, à la filière art et écriture mm -hmm. donc à, euh, Lorsque j'étais venu à la maison dire je vais laisser le droit et m'inscrire en art et culture, la première des choses qu'on m'avait dit, on m'a dit tu vas laisser le droit où l'avenir est peut-être garanti et venir danser. Parce qu'à la filière art et culture, il y a des cours de danse. Cours de danse, musique et théâtre. Je suis une personne, si je dis je veux faire un truc, parler, parler, parler, comme vous voulez, ça reste dans ma tête et hmm. je continue. Donc après, euh, une année après, parce qu'on partait en stage. Il y a d'autres qui, qui, ont l'opportunité de partir à l'extérieur mhm. pour faire leur stage. Et moi, j'ai choisi de rester ici à, au Niger faire mon stage parce que je fais patrimoine culturel. Donc, j'étais resté au musée. Mhm. Donc, même ce choix, j'ai eu des, Il a été critiqué. Il a été critiqué parce que tout le monde. Tout le monde a. Par exemple, dama ma avion. Vous tout le monde a cette chance. Mais moi, j'ai choisi de rester au Niger pour connaître ce qui, est moi, de moi avant de connaître l'extérieur. Mais tout ce choix, avant de, quitter la salle même du choix, j'ai été critiqué par mes camarades. Ensuite, arrivé à la maison, pas mal de critiques parce que ils disent pourquoi ne pas partir en Europe parce qu'il y a des gens qui ont eu l'occasion de partir en Europe. Moi, je me dis, du moment où on commence à te critiquer, on te lance déjà un euh, défi. Donc, il faut prouver aux, à ces gens que, que non, c'est pas parce que tu ne sais pas choisir ou même parce que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est juste ton juste choix un et choix tu l'assumes. Assume les choix. Mm -hmm. C'est un peu ça. Merci, Rabiu. Toke Raila zan komo gare ki. Ana sha muku kai sosai ana matsa muku akan harkar aure. Yusuf za ki aure hanin biki aure ba kina nan kina zaɓi. A ganin ki abun kware ne ko ba abun kware bane ba? Ba abun kware bane ba. Karemo. Karemo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bah, parce que souvent, euh, comment on appelle ça Le fait de mettre cette pression sur les filles, que ça, c'est que des mauvais choix. La personne va se marier deux jours après. Soudain, ils ne peuvent pas se comprendre C'est parce qu'on lui a mis la pression. En bas, m'a pression. Bah, elle allait rester, faire un bon choix. Et puis, je pense que le mariage allait marcher. Exactement. Belkissa, est-ce que tu es d'avis avec ce qui est là d'avis avec elle. haka nan ne <laughs> paske inda aka ana takura maka a gida da shi ana ce maka kawo mishi kawo mishi kana iya kana da samarin da yawa yanzu sai ka ta kai zaben ido a riƙe ka zaɓo ka kawo ba su ka ce zaben tumun dare shi shine ban samta in ba zaben tumun dare ka ta ka shanyo wanda kai da shi ba ku gane wa juna kawai dai kayi ne saboda ka burge uwaye kayi ne don su sha maka lafiya yawwa don su sha maka lafiya kuma saboda ma jama'a dai a san dai in kai arme ana baka wani wanga ne wani nifo ake baka da ba wani istatu ake baka da ba na 'yan mata ba shi ma yana tura 'yan mata su yi wannan zaɓen to bilkisu ke kin yarda da wanga zancen nasu ke baki ganin kamar ana matsa muku don ana son ku ne ko kuma wani abun kwarai hakan ga tattare da matsawar nan ina raida da wannan zancen su ni ma kullum ake matsa min sheki arme ba ka kin yi sarguda ba ki samu ba sheki arme kurum ma tsohuwata take ce min balki sana raida da daki Allah ya kare ki sheki kwanci ne, biskan ki. shi arme lokaci ne kamar mutuwa suna arme in lokaci ya yi ba mai iya jayewa shi arme kwai ne ba ka je ka dawo ba ne zama ne na dindindin kenan ka zama ka yi zaɓon wanda zai gyara ka ya gyara ɗan uwanka hallo biskan yaranka shi na mishi kakka gani ya zo samal-samal ko kuma wani kuɗi ya sha ka ka je ka yi arme ka koma wayo Allah inna na sani ga ban yi haka nan ba. Rabi bari in shiyo gare ka. kai a ganin ka don yasa ne ake matsa matasa su sun ce karuwan ba abin kwarai ba ne ba abin kwarai ne ko kuma don yasa ake matsa matasa eh il faut prendre les choses dans les deux sens parce que wataran ana yi muku shine dan ya gyara ku wataran kuma ana yi shi dai ne parce que ka matsa mutane cikin gida for example oui bala <laughs> kama ta yi mu mu samu kanmu au fait on le fait mais wataran moi je dis gaskiya wataran uwaye gaskiya gare su Paske... ko ba zancen aure kaɗai aka tsaya ba kamar matsawa fannin karatu ko kuma wani fanni daban na rayuwa abun kware ne a matsawa mutum a gani na ko kuma ke kawo ana matsawa matashi ga gani na lofatki ake iya matsawa mutane kuwa kamar wanda ake cewa ne ga hausa wanda ke sa ka hanya yana ji maka ciwo akwai kuma pour ce que du mariage latizawa na namu da suke matsa maka suna ce ma kai arme kai mu arme akwai hangen da su suke iya yi ifo positive da eh, fa akwai hangen da su suke iya yi da mu ba mu iya ganin shi lofet ke ana samu mutane bisa hanya kwa c'est vrai c'est une situation et ça arrive si ça arrive c'est le destin Allah ya sa haka za a yi e kanta la pression da ake samu na sur euh, vraiment un truc social en général kamar da wadda na ce da fari ne ba da zamfil uwayenka a kuma su situation suna ce ma kakkai abu ba da zamfil masu zuwa soji je un cas pratique ana ce ma kakkatai soji kakkatai soji mais au final c'est quoi le problème ba ba ba ba a son kai soji ne ba tsoron da bayan da lisanin da suke kana iya taya da kai soji lisanin ake mutuwa za kai hmm. ai suka gane saboda suna son ka ba su bari kai wani abu ai suka gane ko ya zama duk yanda aka yi da akwai wani dan abu na kwarai a ciki mun gode sosai Muhammadu kafin mu ci gaba za mu shaye mu baiwa yan matan studio Kalangu fili tare da shirin nan nasu La Rubrique Rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, ravi de vous retrouver encore dans cet espace rose du studio Kalangu. Aujourd'hui, votre rubrique préférée a un bon parfum d'agrumes et un bon goût acidulé. Vous le devinez bien, ce numéro est spécial citron. De ses vertus pour la peau, à ses vertus dans l'assiette, de son jus à son zeste, tout nous intéresse. Luki Bonjour amis jeunes, c'est Ruki pour l'espace astuce beauté. Comme l'a annoncé Rabi, aujourd'hui on va parler de citron. Le jus de citron est un ingrédient idéal dans la cosmétique fait maison pour faire des masques de beauté 100% naturels ou encore pour prendre soin de ses ongles ou de ses cheveux. Le grand avantage du jus de citron frais est sa teneur en vitamine C, anti-âge, tonifiante et éclaircissante. Alors, astuce numéro 1. Comment utiliser le jus de citron pour avoir une belle peau Découvrez tous les bienfaits beauté du citron, une mine d'or. Pour faire peau neuve de façon 100% naturelle, on se concocte un bon gommage maison à base de jus de citron, de sucre roux et d'huile d'olive. On applique ce mélange sur la peau en massant avant de rincer et d'hydrater avec son soin habituel. Comment faire disparaître les boutons sur le visage avec du citron Pressez simplement un demi-citron dans un bol et plongez-y le bout d'un coton-tige. Appliquez ensuite le coton-tige sur votre bouton et patientez 2 à 3 minutes sans frotter. Cela devrait l'atténuer si ce n'est le soigner. Merci Rocky pour ces astuces. Passons à la cuisine à présent. Dans l'espace cuisine de ce numéro, nous mettons en lumière un agrume qui inonde les marchés en ce moment. Voici six façons dont ce fruit pratique peut résoudre vos dilemmes en cuisine les plus délicats et contribuer à améliorer vos repas. Le jus de citron empêche vos fruits et légumes de brunir. Quelques pressions de jus peuvent faire des merveilles pour les avocats, les pommes, les bananes, les pommes de terre crues et épluchées, car le jus de citron est juste assez acide pour empêcher l'oxydation qui fait brunir vos produits. Le jus de citron vous aide à éviter le ricolant. Vous avez un problème de riz collant, vous avez déjà acheté le sac de riz, vous avez de la chance. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron à votre eau de cuisson. Cela permettra à votre riz de ne plus coller. 3. Le jus de citron rend votre laitue encore plus croustillante. Pas besoin de jeter euh, la laitue molle. Un peu de jus de citron et d'eau peuvent aider à redonner vie à vos feuilles de laitue. Les feuilles en sortiront ravivées et prêtes à être consommées. 4 le jus de citron vous aide à cuire les œufs durs à la perfection. Même si vous maîtrisez parfaitement la cuisson des œufs durs, essayez de badigeonner les coquilles d'œufs avec du jus de citron avant de les ajouter à la casserole pour plus d'assurance. Le jus de citron empêche les coquilles de se fissurer pendant la cuisson et aide à les décoller facilement une fois que les œufs sont prêts à être consommés. 5. Le jus de citron attendrit la viande et la rend encore plus savoureuse. Le jus de citron est un excellent attendrisseur de viande. Son acidité décompose en douceur les fibres protéiques de la viande en la rendant délicieusement tendre à la fourchette. Goûtez la différence lorsque vous préparez votre prochain steak. Enfin, le jus de citron rehausse la saveur de vos aliments. Un peu de citron peut totalement transformer un repas. En égayant vos plats crémeux, le citron est également un excellent substitut au sel sans sodium. C'est vraiment parfait pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle et pour tous ceux qui cherchent à cuisiner des plats plus sains sans sacrifier la saveur. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la rubrique rose. On se retrouve dans un prochain numéro avec encore plus de bons plans et d'astuces. c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada Indayo anan filin studio Kalangum qui ci gaba da tattaunawa akan mu les pressions sociales que subissent les jeunes et voir comment ils vivent ces situations. Zam tigaba ci gaba da tambayoyin mu kafin mu je dan hutun nan namu. Raila bayani akan non, en fait, c'était pour dire que j'étais un peu d'accord avec ce qu'il a dit. Mhm. Quand il a pris euh, Bangara, tu veux aller faire Sogé, en t'empêche, tu veux aller faire mhm. l'armée. Sur ce point, je suis d'accord, mais sur le point du mariage, je suis sur ma position, je ne suis pas d'accord. kenan ke a ganin wani bangaren yana da kyau a mais amma wani bangaren a'a bilkisu kin yarda ke da wanga zancen nata ni na so ma da ya kawo zancen soshi inda ina da misali ina da wani kuzan da da ya so ya yi soji an ka hana shi saboda mamashi tana hangen in ya ta soji a nan za a kashe shi lokacin da ana tashin hankali ne sai bai yi wanga ba dai an ka hwasa ya hwasa zuwa sojin a ƙarshe a gidansu a ɗakinsu aka zo aka iske shi aka kashe shi kenan zancen a ce a hana mutum yin wani abu saboda ana hangen kai ya yi ya mutu ko wani wanga wannan bama bema bai ma taso ba mm-hmm. paske wannan din da kake yin tsotsai yazo iske ka samu ka zai kenan bai ma kai ba matsa ma mutum kai yayi shuwa zai intel shwa saboda in yatai ga abin da zai iya fuskanta eh ma question suivante avec Rabiu qui des jeunes hommes ou des jeunes femmes subissent le plus ces genres de pression qu'on a cité tout à l'heure bon Emma Tako Je ne peux pas être strict parce que ça dépend de quelle famille que tu es donc ça dépend de la famille in kana cikin famille da na rien de toi, ban gani pression za a sama mai in kana cikin famille da idanu kowa na gare ka dole pression ta zaga gare ka mai na bon din manière general mata ya hiwa parce que tsoron da uwaye ke musu gaske su zan su lalace gaske su rasa mission armée, koko des truc comme ça ça dépend des situations niveau général parce que ban yace voilà waɗanga ne sun kai subirin pression vraiment eh ni kuma da gani na wajen fannin mata ya yawa me yasa na ce wajen fannin mata parce que yau mace hita da shiga da hitowar ta duka ana kula da shi yo in kin ka sike kurkiya ta ta yi ko amai ne sai uwa ta tambaye ta har mine ne halaya <laughs> tambayoyi kuriya ga ɗaki za ta sa ta ta tambayoyi a lokacin mu namijin ka teta ba ruwan da ka dawo kana cikin gida babu ka cikin gida ba ruwansu abu guda in dare ya kai wani lokaci da an ka san da bi fisibilillah kullum kana nan sannan ana iya tambayar ka amma mata ko ina ta tai akwai hanka ana ana neman ta ina ne kin ka shiga ina neman ganga je pense que vraiment pour ma part kan supervision ta hiyawa an hisa musu ido sosai an hisa musu tsaro ma ba ma ido ba <laughs> ok, question suivante. Quelles sont les conséquences que ces pressions pourraient engendrer sur l'épanouissement socio-économique des jeunes Par exemple, matashi ne, ka ɗauki hanyar ka ga filiyar inda kake son ka yi. An matsa maka, an wani irin consequence wannan zai iya kawowa? Bisan kan harkar zaben karatun da za ka yi. Lufit ka dauki hanyar ga inda kai kake so ga abin da kai kake so ka yi amma ana ce maka a ah, bai ba naka bane ba bai kamata ka yi shi ba yana eh, sa ka kai ka san kana iya yi akwai ka san kana iya yin abu mai lufit kuma ana ce ma baka iya wata yana shiga kan ka ce shi kenan bar ma in wasa mhm. shi ma wannan yana kawo ga kenan tu as abandonné un truc que tu veux tu as toujours voulu faire en, fin de compte ça c'est parti en fumée ka bar yin shi kenan babu ci gaban abu ka dawo ma ka na hallo kuma kenan wani kas de ne ka koma baya sai ka kara neman wani wanga Voilà, chers auditeurs, c'est parti pour la pause musicale avec Nia dans leur son Unité nationale. presidente. billahi za mu hara waka ni ce national lale marhabin dangi mu so zumunta domin mu gina nijar mu taru mu roki Allah ya sa nijar samun kasashe kasashen da babu yaki kasashen da babu roko masu arziki da kansu. Thank you. Voilà, chers auditeurs, après cette pause, ben, mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hadu a fada kenan akan maudu'in mu na yau. L'impression sociale que subissent les jeunes. Za mu ci gaba da tambayoyin Idan ana matsa ma mutum, ku a ganin ku, wacce amsa ce ya kamata mutum ya baiwa masu irin waɗannan maganganu? A gani na kamar wadda Hausa sun gace ne, shiru ma magana ce. Eh, je suis du, euh, du genre ko ma an yi mini reproach ko mini an mini wani abu hakan da ya kamata a ce na gyara ko ya kamata in gyara na kwamace in yi shiru bisa kan shi je prefer que les actes parlent ma place bisa kan in yi magana eh. Raila d'accord avec Mahmoud. Mieux vaut se taire le silence, les actes vont parler à ta place. Mais souvent, ils n'ont qu'à voir aussi le comportement du jeune envers qui ils sont en train de parler. Parce que qu'à quoi jeune rebelle

abin da kake in wannan ba haka nan bane kana ma neman ka ce mutum in kai abin wannan bai kamata balle in ka ce abin da kake ba haka nan bane kenan gaba daya gaba daya ba kenan kai ka janyo ma kanka akwai wanda ne dai kam inda yana ga kana min wannan na dai shurare ka ba na maka ba report kawai inda ni na samu da yake me zai mi yake wanga ina inda in nayi shuwa in ce zai kara kenan na san mi yake min zahi inda pression ce ni ni ma sai kwan rabiu ba su harka pression kenan na yi son ka bar ne in error ne bisan kan harka karatu in error ne tu me laisse faire error in na ta gaba ni ma na gane ma kaina in komo in filiyar ne bai komi shekaru wanga in resultat ya hika ta kawai ana jin juna na ta ya kenan ya iya komawa in kara wani karatu bai komi kuma gun kota army gaskiya ni pression ina ina samun shi na haka a rinka min ni a tonnage ni mata ma tana ce ni a tonnage ina da tisha ɗana na hari haka take gaya mu kullum ne ko ta sahiya Allah <laughs> ya ta gaya ni a shekarun ki da sha ina da na hari ina kwatanta mata ki wala lokacin su ne da namu ba ɗaya ne lokacin su in ka yi shi gaskiya yana yin rewisir plus que na yanzu parce que in kai abinda mutum zai gwada maka a wasu ba haka nan ne ba a ciki. Eh, je soutiens euh, Mahamadou parce que du moment où Moutouema reproche, déjà il a pris position. Abundu Kagame va pas, il va pas te comprendre au fait. Parce que dans Moutouema de position, comme il y Kagame, Bayarra. Donc vaut mieux que tu ailles. Et moi j'ai dit, ah que tu m'as sa pression, suis. Non, non, on va se répondre, ne restez sur vos choix et continuez à croire, vous pouvez. Et comment critique, bay, bay, arewa, une ni pression nang akwai. Mais du moment où tu peux, tu peux prouver comme maman avait dit, acting suna gwada wancan da kenan critiquer ka, voilà ce que moi je vais euh, attendre, voilà l'objectif et voilà les résultats. Mais kai sai na to na ci ma ga su ba, kai kanka za ka gani su. Donc de préférence kai shirun ka ka Enfin la dernière question avant de clôturer, me comment kamata mutum yayi? don kar irin waɗannan maganganun su yi tasiri a kan shi don ka su samu wani efe to a gani na abin da ya kamata mutum ya yi don ya yi tasiri kan wannan maganganun su taɓi mutum e eh, dabar da zan prometan akwai mutane daban-daban wa'ansu in kan musu in kan musu mai ake cewa magana za su iya ɗauki abin da kuma sapel da nau da zahi akwai wa'ansu kuma suna ganewa a gani na duk wannan maganganun masu kwatanta maka masu ma reproach wajen kwatanta wa matsala ake samu wajen comment safel kan quand tu essayes d'approcher la personne ya y a des méthodes pour que quand tu lui expose un problème ou un fait que tu as constaté da zai ganewa mais da la majoritairement mutane wadda ake kwatanta ma hakan gane kamata ka yi yo shi ke sa kuma mutane la plupart sare bai tasiri irin wannan kwan a gani na wanda ya kamata mutum ka san ciwon kanka ka san abin da ke ma daɗi in ka san abubuwan nan biyu in ka san su ko mine ne an kai ma kana kana gana haske cikin harkar ga ayyukanka rahila wani bukliye ne ya kamata mutum ya sa don kan irin waɗannan maganganun su yi tasiri a kan shi je pense que le bouclier serait que mutum ya shi ciwon kan shi et qu'il ait confiance en soi un ka pratique da nike première année ina je, je fais la communication des entreprises on a commencé par faire des sacs avec du des cartons et des pains ah Jusqu'à présent, vous êtes des enfants. Mais bon, on a continué, on a continué par faire. Aujourd'hui, on fait des sacs, on fait des blocs-notes et tout. Les mêmes personnes là, ceux qui donnez nous vos sacs, on va aller vendre pour vous. Mais je pense qu'on n'allait pas arriver à ce niveau. Quand on a confiance en toi et puis vas-y. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. yana maman ne gai kawai ka yarda da kanka ka yarda da abin da kake yi haka da ne kamar pression ita ce ba a so mai ba a ce ba kwanse kalka dauka ba su wanda zai in aka sama pression dukkan ma tunanin ka yana hita kenan in ka yarda da kanka ka yarda da abin da kake yi haka nan ne kawai duka abin da za a gaya ma doka kawai a je shi gehe kalka ma rike shi a zuciya yana suka ce ka raida da kanka ka san abin da kake so shi preshon lalle yana tayar da hankali amma kwansai shi akwai wanda ya kamata ka ɗauka akwai wanda ya kamata ka ashe gehe avant de clôturer chers auditeurs nous allons d'abord accueillir Seno et sa chronique du jour Amis jeunes de la FADA, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question d'habilité, cette qualité innée ou acquise qui nous permet d'accomplir des tâches avec aisance et maîtrise est un trait caractéristique de l'humain. Que ce soit dans le domaine artistique et sportif, intellectuel ou professionnel, l'habilité est souvent la clé de la réussite et de l'accomplissement personnel. L'habilité peut être définie comme la capacité à exécuter des actions complexes de manière fluide, précise et efficace. Elle implique la coordination harmonieuse de multiples facultés mentales et physiques, telles que la perception, la concentration, la dextérité, la mémoire et la créativité. C'est cette combinaison qui permet à certaines personnes de se démarquer et de briller dans leur domaine d'expertise. L'habilité ne se limite pas à un domaine spécifique. Elle peut être développée et cultivée dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, un musicien virtuose possède une habileté exceptionnelle à jouer d'un instrument, tandis qu'un athlète de haut niveau démontre une habileté physique supérieure dans son sport. De même, un scientifique accompli fait preuve d'une habileté intellectuelle et analytique hors du commun. Voilà, chers jeunes de la FADA, c'est tout pour euh, ce numéro de chronique de ce samedi. On se retrouve demain pour la suite. Merci sainu haka ne wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na mu haɗu a fada na maraitan wannan ranar Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie de nos invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Masararemu à de Tamteo, nous étions avec Rabiu Kadede, étudiant à l'UAM, Balkissa Sheibou, entreprise Fitila, Balkissa Issoufou, étudiante et aussi membre de l'hygiène, Raila Toumamoudou de l'entreprise Fitila, Mahamadou Haladou, entrepreneur et aussi étudiant. kamar yadda suka faɗa pression. y a iya samun un côté positif et elle peut aussi aller dans un autre sens. Il faut savoir faire des réponses.